Au Bénin, rencontre Talon Yahi, les enfants Lionel Talon et Chabi Yahi auraient joué au facilitateur. Guinée-Conakry, constitution, nous allons tout reprendre à zéro. À zéro, ces propos viennent de Mamadi Doumbouya, le chef de la junte. Mali, le Conseil national de transition valide la création d'une école de guerre. Et puis on termine par le Togo. Le Seine-Fort veut créer des structures de veille dans les centres de santé. Nos invités sont là. Constant Lemou, analyste politique, vous allez bien, grand frère Bonjour euh, Michel. <laughs> Bonjour euh, mon frère euh, <laughs> Francisco. <laughs> Je vais bien, mm. par la grâce de Dieu. heureux de retrouver le plateau de niveau d'info. Ça fait, longtemps. Il y a un bon moment. Ouais. J'étais pas stable à Lomé, donc cela m'a m'a pas permis de répondre à vos invitations. Toutes mes excuses à l'audience. Euh, j'espère que ce sera encore un bon débat. Mm. Eh, Francisco, toujours avec Francisco, on a un bon débat. Hein. Francisco là. vous allez bien <laughs> Bonjour Michel et bonjour euh, Constant Lemo. Mm. Effectivement, ça fait un bout de temps. Mm. bonjour euh, aux auditeurs et aux, téléspectateurs, téléspectateurs de la New World TV. seulement, je suis euh, sur toute la semaine. Hein. Maintenant, vous pouvez me voir euh, que ce soit lundi, mardi, tous les jours de la semaine. Ah oui, c'est pas, le <laughs> plus fixe. <laughs> Allez, on commence donc par le Bénin, annoncé la veille à grand renfort médiatique. La rencontre entre le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et son prédécesseur, Yahi Boni, a effectivement eu lieu mercredi à la présidence de la République. Un peu avant 11 h et sous la plus haute du locataire de la marina arrive à bord de son véhicule. Et Lionel euh, Talon, Chabi, euh, Yahi aurait joué au facilitateur Constant Lemont. Oui, Michel, euh, cela cela couru sur les réseaux sociaux, comme quoi les deux enfants des deux présidents, l'ancien et l'actuel, mm. auraient facilité effectivement la rencontre entre leurs géniteurs, qui sont les deux grands pôles de la politique euh, béninoise, euh, ils auraient euh, compris, mm. surtout en Afrique où les engagements politiques des hommes et des femmes engagent inéluctablement leur famille. je pense que ces jeunes ont compris qu'il fallait vraiment amener les deux parents à s'entendre. Mm. D'ailleurs, cela signifie que les enfants eux-mêmes ont compris l'enjeu. la nécessité. Il n'y a, mm. pas de raison que euh, la tension persiste et eux-mêmes, ils sortiraient perdants, euh, des co-victimes, mm. si jamais euh, les deux pôles, les deux grands pôles politiques, les deux leaders ne s'accordaient pas pour qu'il y ait un apaisement mm. au Bénin. Parce que, qu'on le veuille ou non, Yahi Boni a fini son mandat. Euh, Patrice Talon est au pouvoir, mais il finira sûrement euh, son mandat. Mm. Mais s'il n'y a pas d'apaisement, s'il n'y a pas de réconciliation entre les tendances politiques, euh, cela peut rejaillir, et souvent c'est la réalité, mm. cela peut rejaillir sur leur progéniture. Hein. je pense que ça a été un bon choix, une très belle initiative, un bel exemple à suivre par les jeunes les jeunes leaders euh, politiques hein, qui soutiennent naturellement mm. leurs parents engagés au, plus, au premier rang de, combat. je pense qu'il y a aussi des exemples de par le passé qui ont permis de décrypter. Mm. Je peux prendre l'exemple de notre pays où euh, Gilles Christ Olympio et le président Faux se sont rencontrés. Euh, par euh, l'entremise des, facilitateurs euh, gabonais, nigériens, ainsi de suite, en, au début de, disons, au lendemain du décès du père de la nation. Alors, je pense que c'est un exemple à suivre hein, pour que les familles des leaders politiques ne soient pas victimes, mais plutôt participent hmm. à l'apaisement, à la décryptation des de la vie politique euh, dans les pays où la paix semble être euh, menacée. Francisco, on peut voir en ces euh, médiations des liens non seulement familiaux, mais également politiques. Oui, bon, <laughs> j'ai touché un peu à ce débat tout à l'heure sur Radio Canal FM, où il y a, eu un, bénino canadien, mm. en l'occurrence Richard Wourou, qui euh, est un activiste hein, mm. des, réseaux sociaux un peu, qui s'opposait un peu beaucoup à, à, Talon, et qui a même euh, déclaré mm. que, euh, en fait, c'est à l'issue d'une lettre, hein, d'une des dernières lettres qu'il a qu'il aurait adressée à, mm. à, Talon, aussi qui avait participé, sinon qui a participé à la décrispation euh, de, de, la situation. Ah, il, a joué aussi un rôle. Euh, il a joué aussi un rôle, d'accord. Donc on ne peut que saluer tout ce qui euh, œuvre euh, pour, pour la paix, hein, pour la paix dans nos sociétés traditionnelles. on dit hein, que en temps de paix, celui qui cherche la querelle, mm. ce, cet, homme-là n'a pas sa place dans la, dans la cité. Mm. D'accord, donc euh, si vraiment l'initiative, hein, les enfants euh, ont œuvré pour, ce serait vraiment une bonne chose et à, féliciter. Parce que euh, nos pays ont besoin de tous les citoyens hein, pour participer à l'élan de développement. Mais lorsque dans les pays, on se rend compte que même dans une famille, hein, les gens ne peuvent même pas s'entendre et que c'est des querelles qui deviennent des querelles de la nation, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce qui vient de se passer, il faut aussi euh, dire que euh, cette paix des braves euh, vient du fait que je crois que Yahi, Boni Yahi même, a dû un peu verser beaucoup d'eau dans son vin. Parce, qu'il avait déjà refusé la y il y a quelques, Voilà, quelques années, mm. quand même la CDAO avait négocié, il avait refusé cette rencontre. Mm. Euh, aujourd'hui, euh, Talon tient, euh, il ne tient un peu pas le coup, Parce que lorsque nous prenons Rikia Madougou qui est en prison, en prison. Et Joël avec d'autres également qui sont en prison. Talon ne dit rien. Il ne dit rien. Donc il a fallu un moment donné de prendre conscience qu'il faut aller mollo mollo. Et je crois que c'est ça aussi qui a amené à cette situation. à l'issue de la rencontre, les, doléances de Bouriaï étaient effectivement eh, la libération euh, des prisonniers politiques. prisonniers mm. politiques. Et les prisonniers politiques, je dis, on n'en a pas besoin dans nos pays africains. Quand vous voyez l'Occident qui se développe, hein, qui, eh, oh, pendant la Covid, ont inventé tout, hein, même les vaccins, même les, les, les c'est de là que tout, tout vient. Quand vous allez chez eux, en France, il n'y a pas de prisonniers politiques hein, en, prison. Je ne sais pas si la France a... Euh, au Bénin, il y en a, selon vous Pardon Il y a des prisonniers politiques au Bénin. Non, oh, si ce n'est pas des prisonniers politiques, mais c'est des politiciens en prison. <laughs> Si vous voulez qu'on ah, plus ça. Oui, qu'on en parle ainsi. <laughs> mais c'est que quand vous voyez dans, les pays qui nous, enseignent et qui nous apportent, hein, même ce qu'on appelle de l'aide, mais c'est des gens qui vivent, ils n'ont pas de réfugiés politiques en prison, ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui méritent parce que là, tout le monde œuvre pour le bien-être hein, de, l'autre. Mais dans, nos pays, c'est ça qui empoisonne plus, hein, qui fait plus dépenser la nation hein, que le, les, initiatives de développement qu'on doit euh, plutôt encourager à embrasser à bras le corps. Constant Lemour, on va parler de l'impact également de cette rencontre dans la vie politique du Bénin. Eh l'impact euh, sera euh, grand. L'impact sera très grand lorsque euh, nous analysons les doléances de Boni Aïe à l'endroit de Patrice Talon, notamment la libération des prisonniers politiques. je pense que le maintien de ces hommes politiques en prison, qu'ils soient des prisonniers politiques mm. réels ou des détenus de droit commun, euh, je pense qu'ils ont leur influence dans la société et leur maintien en prison euh, met toujours en tension leur euh, famille politique. ça, c'est une situation réelle. C'est pratiquement dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo s'était adressé également à Ouattara. Ah oui, au président Ouattara. C'est mm. pratiquement le même schéma. Et je pense que euh, ces pays mm. euh, francophones où vraiment il y a des, problèmes politiques qui créent des tensions sociales, euh, on a compris qu'il vaut mieux aller à l'apaisement. Au mm. Bénin, effectivement, si Patrice Talon accédait aux revendications, du moins aux de Bonnier, en libérant les prisonniers politiques cités, eh bien, cela va participer à, une réelle décrispation de la vie politique. Cela va amener euh, euh, à des compétitions électorales à venir euh, dans un climat beaucoup plus apaisé. Mm. Et ça va de l'intérêt de l'ensemble de la population béninoise. Mm. Aujourd'hui, le, le président Yaïboni a reconnu l'autorité euh, du, président, Talon. Et cela signifie, cela augure déjà d'une euh, de la tension. De la tension. Euh, puisque aussi longtemps que Yahi Boni remettra en cause l'autorité de Patrice Talon, il sera suivi naturellement par ses partisans mm. et désormais qu'il a, qu'il a reconnu comme le président de la République, eh bien, euh, ces partisans aussi vont euh, apaiser les tensions, hmm. leur, euh, disons, leur, leur mécontentement. je pense que c'était une rencontre très importante. Si les acteurs politiques béninois veulent préparer 2023 dans un climat vraiment apaisé. Et surtout s'ils sont sincères. Les courses dans les démarches. vécues en 2019-2020, hmm. on en a pas besoin les Béninois n'ont pas du tout besoin de ces courses poursuites euh, que nous avons vues 2019, 2020, mm. même 2021. Euh, ça n'honore pas le pays, ça ne grandit pas du tout le Bénin. Et il vaut mieux comprendre euh, le revirement opté par le président Talon, mm. Mm, qui veut assainir la vie politique, la vie économique, la vie sociale au Bénin. Il est arrivé à un moment où euh, beaucoup de Béninois euh, étaient plus riches que l'État béninois à cause des, malversations, à cause de, des trafics. Tout, ça l'a à à mm. disons, euh, je ne parlerai pas du banditisme politique, mais des, des, formations politiques qui n'ont pas vraiment leur raison d'être, des comportements qui compromettent complètement euh, la vie sereine au Bénin, euh, je pense que Patrice Talon a décidé de mettre fin à tout cela hein, pour que le Bénin soit relancé sur euh, de meilleures bases et avancé C'est le, plus important, moment. Mais au niveau Francisco Napokura de l'opposition, c'est comme si cette opposition même est divisée. On ne reconnaît pas Yaye Boni comme chef de file de l'opposition béninoise. Bon, vous savez, qu'on le veuille pas, Yahi Boni, c'est un ancien président. Lorsque le pays est en danger, hein, quand vous voyez que ce soit la France, les États-Unis, mais ben, les anciens présidents sont appelés et on les consulte. On n'a pas besoin qu'il soit forcément un chef de file hein, de l'opposition, sinon c'est une personne ressource dont la nation a besoin. La preuve, lorsque Boni Yahi est parti chez Talon, il a dit qu'il était déjà même allé visiter Soglo. ou bien ah dans, dans ses propres Oh, c'est ce que j'ai entendu. Ça veut dire que, quelque part également, ce gros aurait pris son téléphone pour appeler Talon pour lui dire hein. ah, que mon frère, que nous devons mettre la balle, hein, hein, la, balle à terre. vous savez, eh, Constant Lemou vient de le, vient de le dire. Et le, le Bénin, et la corruption était vraiment à un niveau très, très, très élevé. Euh, j'ai eu dire, hein, m'a dit que quand Talon venait au Bénin, quand il était arrivé, le port, même le port de Bénin, de Cotonou, n'avait pas de comptabilité. Mm. Vous imaginez comment on peut gérer un port comme ça sans, voilà, sans rendre compte. Et vous avez vu, quand il est arrivé, il a senti, il a vu que au niveau de la privatisation de Bolloré, ça ne rapportait pas grand-chose à la nation béninoise. Il a coupé ses contrats. Ben, les gens ont crié, mais il a réussi. Mais je donnais tout à l'heure euh, l'exemple hein, qu'il y a, euh, il y trois vendredis, euh, j'oublie un peu la date, j'étais au Bénin. Mais quand vous arrivez à la frontière et à, la frontière et, entre le Bénin et le Togo, mm. mais vous avez deux postes fictifs police togolaise et puis un poste, je crois, de sanitaire où vous donnez 5 000, 5 000, sans aucun reçu. Mais quand nous avons traversé la frontière, c'est-à-dire pour la même voiture qui est en train de passer, quand nous avons traversé la frontière, nous sommes allés du côté béninois, on nous a pris 6 000 francs avec un reçu qu'on appelle bien laisser passer. Vous voyez ça la, rentre... différence est là. ça rentre dans les caisses de l'État. Je dis, ça rentre dans les caisses de l'État. Maintenant, ici au Togo, l'État ne bénéficie rien. la voiture qui est passée, c'est 500 que le, poste de péage a pris. Mais à la police, on vous prend, à la frontière, on vous prend 5 000, sans reçu. À leur retour, ça fait combien Ça fait 20 000. C'est-à-dire, je sors de mon pays. Mes papiers sont en règle. Les autres m'ont laissé rentrer avec seulement 6 francs, même 6 000. Mais pour rentrer chez moi, on me réclame encore les mêmes sous. Hum que j'étais obligé... vous voulez parler de cette différence dans la gestion de... Mais, mais il a parlé du président Patrice Les gens vous disent, allez, lorsqu'on voit la, le, racket des policiers, des gendarmes sur les routes, les gens disent, allez voir, euh, allez voir le Bénin, il n'y en a plus. Quand à la frontière, les gens faisaient ces choses en prenant l'argent chez les gens, il a tout raclé. Il, a, on a même, il y a des gens qui sont même en prison présentement. Est-ce que vous voyez Donc, le monsieur, il a, il a. Bien sûr, c'est une dictature que nous tous nous, nous, désapprouvons. Bah, pourquoi vous parlez de dictature Parce qu'on arrête les opposants politiques ou les hommes qui font la politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure Oui, parce que présentement, ceux qui sont en prison, c'est mm. par. Euh, c'est au cours des, des, affrontements mm. politiques qu'ils hein, qui sont allés en prison. Mm. Bah, parce qu'il y a vraiment il y a certains qui représentaient des dangers. Prenons le cas de Mme Rikia et Qui, Mais vous reconnaissez un redressement économique. Qui, semble déjà mm. être une menace parce qu'elle hein, et mm. disons, entre guillemets, les appuis mm. des chefs d'État de, la, de la sous-région, supposons qu'elle allait aux élections et qu'elle déclarait qu'elle a gagné les élections. Mais la CDAO la soutient. Est-ce que vous voyez Contre qui Contre Donc, c'est. C'est que automatiquement, c'est un danger que le monsieur a essayé de mettre euh, euh, aux, frères. Mais tous les individus, hein, tous les Béninois, mm. c'est pour construire le Bénin. Et ça vaut pour tous les pays hein, africains, dont le Togo. Le Togo, il a parlé de dis oui. Olympio et, On et, et, et Fort mm. Mais si ça avait continué, et qu'il n'y avait pas de Togolais encore en exil, on serait, on, on serait fiers de ça. On va marquer la petite pause et on revient après pour la suite. Thank you.